En cette matinée, devant le tableau d'affichage du lycée d'Ambascoré, certains élèves sont venus regarder les listes des classes dans lesquelles ils prendront les cours. Tout se passe bien, en croit le directeur régional adjoint des enseignements secondaires. Selon Abdou Hassan, les matériels didactiques et autres fournitures sont déjà acheminés dans les différents établissements secondaires. Le gouvernement a mis à notre disposition d'importantes quantités de fournitures qui ont déjà été acheminées dans les établissements secondaires. Les cahiers sont disponibles, les rapporteurs sont disponibles, les livres sont disponibles. Donc, ce qui reste, c'est d'entrer en classe travail. Sur l'effectivité de cette rentrée, Abdou Hassan rassure qu'un bon esprit prévaut au niveau de tous les acteurs à Maradi. La situation, elle est bien gérée. Parce que la discorde, c'est quoi La discorde, c'est les, arriérés, c'est le, salaire, c'est les pécules. Et les pécules sont payés à terme échu ici dans la région de Maradi. À ce que je sache, aucun contractuel, aucun euh, fonctionnaire n'a d'arriéré de, de salaire. Donc, je pense que nous sommes dans un très bon état d'esprit pour entamer cette année 2016-2017. Côté syndicat, on note la bonne disposition du cadre permanent d'action et de réflexion des syndicats de l'enseignement. Le CEPRAS entend bel et bien effectuer la rentrée du lundi. Issoufou Sani Caché, co-coordinateur du CEPRAS à Maradi. Nous sommes en train de préparer la rentrée malgré les difficultés. Nous avons reçu des instructions de nos bonnes respectives de faire la rentrée le lundi, Inch'Allah, malgré les difficultés. ici, au niveau de la région de Maradi, nous n'avons pas de difficultés. Le problème, c'est quoi C'est le problème de paiement et les gens sont là, les preuves sont là. Nous avions négocié les paiements bien avant la fête. Au niveau de Moradou, nous n'avions pas de problème de paiement. À Gadez, ils n'ont pas de problème de paiement. Et à Niamey aussi, ils n'ont pas de problème de paiement. Donc, c'est seulement dans quelques localités qu'il y a ce problème. Donc, rien ne va nous empêcher d'effectuer la rentrée. Tout de même, le CEPRAS n'exclut pas un débrayage juste après cette rentrée, compte tenu des problèmes auxquels ils font face. On peut citer entre autres le parachèvement du recrutement à la fonction publique des enseignants contractuels, le paiement à terme issu des arriérés des pécules de leurs camarades des autres régions. Mohamed Maman, depuis Maradi, pour le studio Kalangou.